Nous prions pour le succès de cet événement et en particulier pour vous et pour maman quand vous continuez ce ministère. Nous sommes si reconnaissants et nous sommes bénis de vous avoir. Je crois et je crois qu'Adamawa ne sera plus le même après cette visite. Et je crois également que des millions de par le monde qui suivent par les médias et d'autres moyens seront touchés et ne seront plus les mêmes. Je vous apporte les salutations de l'Église de Christ au Nigeria et vos frères et sœurs de par le monde dans la famille Luton. Et je prie que la présence spéciale de Dieu continue soit avec nous quand nous venons à la conférence des ministres et également de la visite de notre Père dans le Seigneur. Que les semences qui ont été posées continuent à fleurir dans nos vies et nous touchent de façon spéciale et nous aident à être transformés individuellement, nos familles, et dans nos nations. Nous rendons grâce à Dieu et que son nom soit loué. Amen. Papa, soyez le bienvenu. Dieu vous bénisse. Merci, archevêque. Bonjour à tout le monde. Que Dieu soit avec nous aujourd'hui. Et toi en particulier, que le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus. Tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons entendu et toutes les promesses que le Seigneur a a révéler, que tout cela soit accompli dans ta vie au nom de Jésus. Tu, vas tenir sur les promesses. Tu ne vas pas t'asseoir dans aux abords des problèmes. Amen. Et les promesses ah, produiront des prodiges dans ta vie à tout moment, à chaque carrefour et dans toutes les situations. Et le Seigneur accomplira tout chose concernant hein, et dans ta famille, euh, dans ton ministère et dans toutes nos églises. Père, nous te remercions une fois encore en ce jour. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as menés pour une bonne chose, pour charger nos batteries, pour aiguiser nos épées, et pour nous donner une révélation nouvelle de ta vérité, afin que comme ta parole entre et que le ministère s'élargit, la force, la puissance pour porter et continuer, accorde-la à chacun de nous. Que toute sœur, tout frère, toute dame ministre, tout ministre homme, Seigneur, je prie que ta puissance s'accroisse dans chaque vie au nom de Jésus. Utilise-nous pour ta gloire. C'est notre heure et c'est notre génération. Les anges ne peuvent pas le faire pour nous. Paul, Pierre, ceux qui sont partis ne peuvent plus revenir le faire. C'est nous qui sommes les hommes et les femmes de l'heure. Et nous prions que tous ceux tout ce dont nous avons besoin, accorde-le à chacun. Confirme tes bénédictions sur chacun de nous. Au nom de Jésus, nous prions. Vous êtes bénis déjà, asseyez-vous dans les bénédictions du Seigneur. Ce matin, nous allons donc conclure notre série d'études dans le chapitre 1 de Josué. Et aujourd'hui, nous considérons Josué au chapitre 1, du verset 6 au verset 9. Et dit, verset 6, Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. verset 7, et dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Ton heure de prospérer a sonné. Verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage ne t'effraie point et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Un meilleur Amen. Comme nous avons lu ce passage des Écritures, vous remarquerez dans le verset 6, 7, 8, 9, il dit, Fortifie-toi et prends courage. Le courage apparaît ici, dans ce coup passage, 1, 2, 3, trois fois. Nous avons besoin du courage, même pour être sauvés, pour nous détourner du péché et te distinguer et sortir de la foule et pour s'identifier et tenir avec le Seigneur, tenir pour le Seigneur et tenir par le Seigneur, par la grâce qu'il a donnée. Il faut du courage pour te séparer de la société, la société des pécheurs, pour que tu puisses te séparer de, des anciens amis et des anciennes habitudes et de dire, maintenant je suis en Christ, une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut du courage. Le courage, après être sauvé, pour vivre la vie et pour que les gens qui t'observent et qui regardent ta vie et qui disent qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui lui est arrivé qu'il est allé se joindre à quoi Il n'a rejoint aucune chose. C'est le Dieu du ciel qui s'est saisi de sa vie. Il est devenu quelqu'un de différent de la société pécheresse. Et que tu puisses tenir et maintenir cela, il faut le courage pour que maintenant tu puisses avancer et que tu comprennes que ce que les autres évitent, ce que les autres essaient de feinter et ils disent, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés, mais pour toi, pour que tu comprennes qu'il y a quelque chose que Christ a pourvu sur la croix du calvaire. Le salut, c'est vrai, mais la sanctification, cette sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Lorsque tout le monde dit, hum, hum, nous sommes là, on entend, saint, saint, parfait, parfait. Mais pour que tu puisses tenir et que tu puisses comprendre que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Et quels que soient les ridicules, quelles que soient les moqueries, quelles que soient les persécutions, pour que tu puisses non seulement tenir sur ça en tant que doctrine, mais que tu puisses vivre cela et dit Christ est mort pour moi afin de me purger, afin de me purifier, afin de me sanctifier et de me rendre saint et tu mènes cette vie, cette vie de sainteté. Il faut du courage. Et pour que maintenant, tu puisses avancer et comprendre que la puissance que nous avons vue dans l'Église primitive et après cela, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Quelle que soit la dénomination et quelle que soit les, quelle que soit l'église à laquelle tu appartiens, tu dois comprendre comme Jean l'a dit. Je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi, il est plus grand, il est plus élevé, il est plus puissant que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et pour que vous puissiez avoir cette puissance, ce feu, cette puissance, ce feu de puissance, brûlant à tout moment, et que vous puissiez aller de l'avant et pour que vous soyez ce que Dieu vous appelle à faire, il faut du courage. on n'a pas besoin de courage pour flotter comme, un poisson mort sur, la rivière. On n'a pas besoin de courage de tenir comme les autres et répéter ce qu'ils disent. Et, et, ne pas prendre de l'envol. Comme un aigle, on n'a pas besoin de courage pour que tu, baisses la tête et que tu évolues et pour qu'il n'y ait pas de différence pour, comme les autres et que le calvaire ne laisse aucune marque définie dans ta vie. On n'a pas besoin de courage pour cela. Pour qu'une personne puisse tenir, une personne qui pourra tenir au milieu du peuple de Dieu, les enfants d'Israël, et regarder Canaan devant lui et dire, nous irons là-bas et nous irons, nous irons posséder le pays. Il faut du courage. Et c'est ce que le Seigneur fera dans ta vie. Le courage de tenir, le courage de prêcher, le courage pour mm, exposer ligne sur ligne, précepte sur précepte, et dire, peuple Dieu, le Seigneur nous a commissionné, allons-y et possédons le pays. Je prie que Dieu nous accorde, t'accorde, m'accorde à chacun de nous ce courage au nom de Jésus. Il faut même du courage pour dire Amen. Hein. Aujourd'hui, nous considérons le message, le modèle divin pour un ministère triomphant. Je parle au, ministère, au ministre triomphant ici. Vous allez triompher. Vous allez vaincre ce n'est pas le jour où nous serons comme des amphibiens, n'ayant pas de force, n'ayant pas d'énergie, n'ayant pas de colonne vertébrale, comme endémique. Non, ce n'est pas le jour, ça. C'est le jour où les ministres de Dieu, nous allons regarder la parole de Dieu, nous allons embrasser la parole de Dieu, la parole de Dieu entière. Nous allons vivre par cette parole, nous allons avancer sans crainte, sans doute, sans sans être effrayés. Et nous dirons, nous tenons pour Christ. Partout où vous allez, la puissance, l'onction, la puissance de tenir pour Christ, vous l'aurez au nom de Jésus. Le message, nous le divisons en trois parties. Premièrement, nous considérons, premier point, le courage indispensable pour un ministère pour un ministère qui libère la vie. Si ton ministère doit être élevé, s'il doit libérer les gens, nous avons besoin du courage. C'est indispensable. Tu ne peux pas faire sans ce courage. Le courage dans la prière. Et tu pries. Tu ne pries, tu ne fais pas la prière. Oh Dieu, je sais que les gens que je suis censé diriger dans cette localité dans ce territoire, dans cet État, dans cette nation, et les choses sont vraiment difficiles. Hein. Je ne sais même, sais même pas comment j'aurai la force de tenir. Tu dois être courageux dans la prière pour réclamer les promesses de Dieu. Ces promesses singulières, ces promesses illimitées, tu dois être assez courageux dans la prière. Si tu as courageux dans la prière, tu seras courageux en privé, dans ta vie privée dans tout ce que tu fais, partout où tu vas, tu as la conviction et tu vis par cette conviction, peu importe qui est d'accord avec toi ou qui n'est pas d'accord avec toi. Tu as le courage en privé, tu dois avoir le courage en public. Peut-être que tu es un professionnel et tu connais la, la, la, voie de la justice et tu connais la voie que suivent les autres dans notre communauté, dans notre pays. Tu sais la voie qu'ils suivent. Mais pour toi en public, dans le service public pour que tu fasses quelque chose qu'ils doivent comprendre. Et tu dois devenir la conscience du peuple autour de toi. Tu dois devenir la mesure. Ils doivent mesurer leur mode de vie par la vie que tu mènes pour que tu sois la conscience de la communauté et la conscience du pays et que tu sois la conscience des professionnels autour de toi. Il faut du courage. Et quand il faut venir au pupitre, dans la prière, courage en privé, courage en public, courage au pupitre pour que tu puisses décrire et que tu puisses dire, ainsi parle ainsi déclare la parole de Dieu, il faut du courage. C'est pourquoi il est ainsi important. Nous devons avoir le courage indispensable pour, euh, pour, le, pour ceux-là qui seront libérés pour la vie. Ça, c'est le ministère. Deuxième point, l'engagement implicite à son message durable tu sais que Christ est la parole finale pour l'humanité. Il a donné à Moïse la parole, la loi, et Josué a continué avec. Et tous les prophètes sont venus, tous les rois sont venus, mais la dernière parole, le Père au ciel a dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira. Ayant jusqu'en le temps, il s'est révélé de différentes manières, par nos pères, mais selon Hébreu, il nous a donné son Fils unique et la parole finale est dans sa bouche. Et que vous puissiez déclarer cela, vous devez être engagé à, au dernier, au message durable du merci. Troisième point, la conquête invincible grâce à la loyauté des hommes. Vous avez la colonne vertébrale et vos pieds sont derrière et vous tenez, vous avez les yeux de l'aigle et vous êtes capable de tenir et de dire, voici le chemin, voici ce que Dieu veut qu'on fasse. Vous devenez invincible, invincible, imparable, imbattable, qu'on ne peut courber dans nos vies. Si nous voulons avoir quoi que ce soit, quelque chose de substantiel, quelque chose de euh, réussi, quelque chose de surnaturel, quelque chose de spécifique dans le royaume de Dieu en ce moment, c'est le type de conquête que nous avons besoin, invincible, imbattable, invincible, dans, ce, dans cette conquête invincible, grâce à la loyauté Premier point donc, le courage indispensable pour un ministère qui libère la, vie. Dans le chapitre 1, verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner verset 7, la première partie, fortifie-toi seulement, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Il y a trois éléments à examiner. Premièrement, nous voyons le courage caractéristique de vivre pour une mission. Tu ne vis pas seulement. Tu ne, tu ne vis pas de jour en jour, il n'y a pas de mission, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but, il n'y a pas de destination. Tu vis simplement. Tu es comme un homme qui conduit. Parce qu'il a de l'essence dans, dans son véhicule. Il conduit seulement, il conduit, il conduit. Il dépasse le point de contrôle, il conduit, il repasse encore et on l'arrête. On dit, tu as passé ici dix fois. C'est comme si tu continues. Où est-ce que tu vas en réalité Moi, je ne sais pas. J'aime seulement conduire. J'aime conduire seulement. Il ne va nulle part. Il ne va nulle part. Il aime conduire seulement. Il y a des gens comme ça. Pourquoi vis-tu Bon, je ne sais pas. Je vis. J'aime vivre seulement. Hein. Pourquoi tu travailles J'aime seulement travailler. Qu'est-ce que tu vises Je ne sais pas. Hein. J'aime avoir des mouvements. Je me lève et je veux que mon sang circule. Pour cela, donc, je suis passé par là. Tu dois avoir une mission. C'est cette mission pour laquelle tu vis. C'est là où nous pouvons identifier et mesurer ton courage. Le courage caractéristique de vivre pour une mission. Deuxième élément, cultiver le courage en œuvrant pour, pour le maître. Cultiver le courage en œuvrant pour le maître. Troisième élément, le courage contagieux du leadership pour les membres. Le premier élément maintenant, premier élément, le courage caractéristique de vivre pour une mission. Comprenez, Josué avait la mission définie. Josué avait la mission décrite. Josué avait une mission était délimité. Il avait la concentration. Voici ce que tu dois faire. Tu dois conduire tout ce peuple-là, chacun dans les tribus. Tu dois les conduire à la terre promise. Et tu dois donc avoir une protection autour d'eux. Ils ne retourneront pas en Égypte. Est-ce que nous n'avons pas une mission Suivez-moi et je veux de vous des pêcheurs d'hommes. Est-ce que nous n'avons pas de mission Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce que nous n'avons pas une mission Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Il faut du courage afin donc de pouvoir aller vers ces pharisiens, d'aller vers ces sadducéens. Et pour Pierre, pour qu'une petite fille, une domestique demande, tu dois faire partie l'un de Ah, moi je n'ai jamais connu cet homme. Hein il n'avait pas, il n'avait pas le courage de témoigner de Christ. Il n'avait pas pensé à la mission d'exalter Christ et de dire, oui, bien sûr, si vous regardez la liste des apôtres, je suis le premier sur la liste. Je suis avec lui, je suis pour lui et je vis par sa grâce. Mais en ce moment, il n'avait pas tout ce qu'il fallait pour pouvoir tenir ferme courageusement sur sa mission. Est-ce que tu as comme ça Le Seigneur t'a appelé et maintenant quand tu es défié, où tiens-tu Pour qui tiens-tu Et pourquoi tiens-tu Tu dis, euh, euh, euh, et tu instantanément tu deviens bègue. Pourquoi ne pas dire oui, j'appartiens à Christ. Il est mort pour moi et il est mort pour toi aussi. Il m'a sauvé et il va te sauver également le Seigneur nous accorde le courage de vivre pour une mission au nom de Jésus. Amen. Deuxième Timothée chapitre 2, verset 1. En 2 Timothée chapitre 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et verset 2, il dit, verset 2, est ce que tu as entendu de moi. Ce que Timothée, ce que tu as entendu de moi, Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Tu as entendu ça de moi, va le leur dire. Et il dit, Christ est mort pour nous, afin que quiconque invoque le nom de Christ s'éloigne de l'iniquité. Timothée, est-ce que tu entends ça de moi Va donc dire cela aux gens. Et il dit, ceux qui vivront pieusement seront persécutés. Timothée, est-ce que tu as entendu ça de moi Va donc le leur dire. et dit, tout ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le, ne dites pas, confie-le, n'altère pas ça, confie-le. Ne diminue pas, confie-le. N'ajoute pas les traditions de ta tribu. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Vous voyez, les quatre générations, Paul l'apôtre, vous avez la génération de Timothée, vous avez la génération des gens qui sont, que Timothée enseignera et formera, et qui iront et diront la même chose. Enfin, vous avez la génération finale, les gens qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et dit, je dois continuer de génération en génération. Nous devons transmettre la parole de l'évangile, le salut, la sanctification, la force, l'autonomisation dans le Saint-Esprit et toutes les Écritures, l'entière révélation de la pensée de Dieu, du message de Christ et de la révélation entière du ministre, du ministère du Saint-Esprit. Le courage de s'attacher à cela, le courage de vivre pour cela, le courage de répandre cela, le courage de veiller à ce que nous saturons tout le pays par l'évangile total et plein du Seigneur. Verset 3, il dit, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat souffre avec moi, souffre avec moi. Toute profession exige la difficulté. Nous passons par des moments de formation. Disons par exemple, ceux qui sont dans, dans le domaine médical, dans leur formation, il y a des fois, au cours de la formation, ils passent des heures Beaucoup passent 8 heures au bureau et ils, commencent à 8 heures et ils fêtent peut-être à 16 heures ou à 17 heures. Mais ceux-là qui sont en formation pour pouvoir aider les gens dans leur santé, parfois, ils passent 16 heures. c'est un miracle même, ils ne sommeillent même pas pendant qu'ils examinent les patients dans leur formation. Parfois, ils seront là et finissent au tuyau. On les appelle encore. Viens encore pour telle urgence. Il y a la, la dureté. Pensez à ceux qui sont dans l'ingénierie, qui fabriquent ceci, qui fabriquent cela. Parfois, certaines de ces machines, s'ils ne font pas attention, ils peuvent risquer toute chose, la difficulté, même nos femmes qui tombent enceintes et qui accouchent, qui donnent naissance au roi, au prince, au président de l'avenir, pour qu'elles puissent mettre accoucher ses enfants, garçons et filles, elles doivent endurer des souffrances. Voyez les athlètes, et ils courent et ils veulent aller aux Jeux olympiques. Il dit « ça c'est mon objectif, ça c'est ma mission et ça c'est ma motivation pour qu'ils puissent arriver aux Jeux olympiques, ils doivent renoncer à eux-mêmes, veiller à leur régime alimentaire, veiller sur toutes choses, veiller quand ils se réveillent, veiller quand ils dorment. Ils doivent veiller donc sur les temps de pratique. Parfois, ils doivent cogner ces sacs-là, chacun sur terre. Si nous voulons donc faire quelque chose qui a de sens, nous devons comprendre qu'il y a les souffrances, il y a des difficultés, il y a une vraie chose qui demande ta force et nous devons supporter pour le ministre, pour celui qui veut tenir, pour le Seigneur. Les critiques viendront. Il y aura des malcompréhensions, il y aura de mauvaises représentations, beaucoup de choses viendront. Et vous devez donc souffrir avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Dans le verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie des choses que vous aimiez avant, des choses qui faisaient pas de votre vie avant, comme un soldat. Il ne peut pas s'attacher à ce que les civils gardent. S'il veut avoir du vrai succès et la victoire sur le champ de bataille, la même chose avec nous. Comme les soldats de Jésus-Christ, il dit que nous ne devons pas nous embarrasser, nous ne devons pas nous encombrer des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui l'a enrôlé. S'il veut plaire, tu ne peux pas, tu pas le, le, le tu vas pas plaire au Seigneur, plaire au monde au même moment. Le monde a plusieurs types de musique. Et si tu danses à la musique de telle partie, tu danses à la musique de telle partie, tu danses à la musique de telle partie, très bientôt tu vas maigrir. Parce que ce n'est pas facile d'essayer de plaire au monde le moi aussi exige que tu complaises à la chair, que tu puisses donc chérir la chair. Tu ne peux pas, parce que le, celui qui t'a appelé, c'est Christ. Et si la chair exige quelque chose qui est différente de ce que Christ, notre capitaine, Christ le vainqueur, Christ le précurseur, ce que Christ demande, nous devons dire non à la chair et non au monde et non au diable afin de plaire à celui qu'il vous a, qui l'a enrôlé. Vous allez lui plaire au nom de Jésus. Verset 5. Verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Les règles. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. règles. Pourquoi combattu est-ce en tant que pasteur, c'est pour être couronné et tu veux être un pasteur maître Est-ce que tu combats pour être maître dans l'évangélisation, dans le gain des âmes Est-ce que tu aiguises tes habiletés dans l'évangélisation tu n'as pas combattu suivant les règles dans l'évangélisation en tant qu'enseignant, enseignant de la parole, est-ce que tu t'efforces pour avoir la maîtrise pour que tu puisses présenter la parole, que tu analyses la parole, que tu puisses disséquer la parole et rassembler de façon constructive. Parce que nous sommes des enseignants de la parole. Et si tu es un conseiller, est-ce que tu conseilles de façon à viser la maîtrise Si tu fais l'implantation d'église, est-ce que tu le fais et tu t'efforces pour la maîtrise Est-ce que tu dirige un groupe de personnes en tant que leader, est-ce que tu t'efforces pour la maîtrise dans nos vies, dans nos ministères Ce que nous devons faire, c'est de nous efforcer pour la maîtrise. Oui, s'il n'a, pas combattu sur les règles, il ne sera pas couronné. Deuxième élément maintenant, cultiver le courage en œuvrant pour le maître cultiver le courage en œuvrant pour le maître. Le courage est comme une plante qu'il faut mettre en terre, arroser et faire une haie autour, la faire pousser et prendre soin, lui donner de l'attention pour cultiver. Regardez tous les ministres de Dieu. Pensez à Moïse, quand Dieu l'a appelé, il a dit Seigneur, mais tu sais que je ne suis pas capable. Il n'avait pas le courage. Tu dois planter le courage, cultiver le courage. Regardez Josué. Josué devait cultiver le courage. Regardez David. Pour, ah, pour être gendre du roi, ah, ma famille n'est pas connue, hein, mais il faut cultiver le courage. Jean le bien-aimé, vous n'entendez jamais sa voix. Il s'appuyait seulement sur le Seigneur. Mais avant qu'il ne meure d'une mort naturelle, on l'a jeté dans une huile bouillante. Mais il a survécu. Tous ses ministres, tous ses apôtres, ils devaient cultiver le courage. Voyez Pierre, est-ce que tu ne fais pas partie d'eux Ne me dérange pas, je ne le connais pas. Quelqu'un d'autre est venu. Ton langage te trahit tu fais partie de ses disciples. j'étais dit, je ne le connais pas. Un autre est venu la troisième fois. Tu m'as, hein? Je t'ai vu dans le jardin. Je ne le connais pas. Je ne fais pas. Ce n'est pas moi que tu as vu. Il n'avait pas le courage. Il pouvait pleurer. Il pouvait être sobre. Et oh, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Et il s'est éloigné, il a pleuré. Mais, le jour de la Pentecôte, quand ils étaient tous assemblés en un lieu, et il y a eu un vent impétueux et des langues comme des langues de feu se posèrent sur eux et ils ont commencé à parler en d'autres langues qu'ils n'avaient jamais apprises avant, tel que l'Esprit leur donnait de s'exprimer et sans que personne ne le pousse. Pierre s'est levé et a dit, oh homme d'Israël, écoutez ma parole. Le Seigneur Jésus-Christ que vous avez crucifié, le courage, l'audace viendra pour toi. Le courage va venir pour toi. Mais ce qu'il faut relever, c'est qu'il devait cultiver le courage. Tu dois le cultiver aussi. Si tu lis toujours les matériels qui te parlent des mauvaises choses et tu lis des choses qui te parlent des choses qui sont difficiles, oh, si quelqu'un survit dans cette communauté, ce serait vraiment une chose exceptionnelle. Si c'est ce que toi, tu te nourris chaque jour, tu n'auras jamais le courage. Si la dernière fois, avant d'aller dormir la nuit, tu lis les informations, il y a, oh, il y a un crime de côté, il y a une criminalité là-bas, il y a ceci et cela. Si c'est ça que toi, et c'est avec ça, toi, tu dors. Et ce n'est pas possible que tu aies le courage, si au cours de la journée, tout ce que tu vois et tout cela avec qui tu discutes, c'est cela qui sont anémiques, ce sont des gens qui sont faibles, ce sont des gens qui n'ont qui n'ont aucune force intérieure. Tu n'auras pas le courage. Tu dois donc basculer et lire les promesses de Dieu et la foi en Christ. Et ce que Christ fera de toi, ce que Dieu fera. Et tu es en train d'emmagasiner ça, de recevoir les, promesses de Dieu. Et tu tiens sur les promesses de Dieu. Et tu, tu en tout ton courage, comme une plante, tu construis une haie et tu, nourris, tu, lis des choses qui contribuent à ce courage. Et tu construis une haie autour du courage pour que les choses de la crainte, les choses de la peur, des difficultés, que ces choses ne viennent pas. Ton courage va se lever. Même ce matin, ton courage va se lever au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 6. Ephésiens 6, verset 10. Aidez. Au reste, fortifiez-vous. C'est ce que Dieu a dit à Josué, c'est ce que Paul a dit à Timothée, c'est ce qu'il nous dit dans Ephésiens. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Verset 11. Verset 11 dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12, et car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13, et c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Vous pourrez, je pourrai, et tenir ferme, et tenir ferme, et tenir ferme, après avoir tout surmonté. Vous devez tout faire. Pas quelque chose quelques-unes des choses que Dieu vous a confiées pas simplement une partie de ce que le Seigneur vous a confié après avoir tout surmonté, prêt encore pour autre devoir pour le royaume. Verset 14, il dit, tenez donc ferme, ne tremblez pas, tenez donc ferme, ne courbez pas, tenez ferme, ne vous effondrez pas, tenez, Tenez donc ferme. Il dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez, verset 15, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de Père. Verset 16. Prenez pas dessus tout cela, pas dessus tout cela, toutes ces armes, toutes les armes, qu'est-ce qui les rend efficaces C'est notre foi. Prenez pas dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Ça doit être là à tout moment. L'expérience de ton salut l'évidence de ton salut, l'essence de ton salut. Aidez, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Troisième élément maintenant, le courage contagieux du leadership pour les membres. Aidez, le courage contagieux. Le courage est contagieux. Le courage se répand de la vie du leader vers ce que tu diriges. Le courage de la mère vers la fille. Le courage du père vers les enfants. Le courage de l'enseignant vers les élèves. Le courage du directeur vers les membres du personnel. Le courage du responsable vers ceux que nous supervisons. Si nous avons une attitude timide, si nous avons une colonne vertébrale affaiblie, si nous avons un langage effrayé, si nous avons une disposition, une apparence de faiblesse, et nous sommes comme des crevettes, comme des gens qui ne sont pas bons pour la terre, ni bons pour la mer. Ils sont des bacs, ils sont, vous voyez, les, qui sont comme les chauves-souris, qui ne sont ni sur la terre, ni les oiseaux qui sont dans les airs. Ils, les chauves-souris sont au milieu. Elles sont, vous voyez, ceux qui racontent les fables nous disent que c'est pourquoi les chauves-souris ne sortent pas dans l'après-midi. Quand tout le monde peut les voir, les chauves-souris sont pour la nuit. Quand elles peuvent se cacher dans la honte, quand elles peuvent se cacher et cacher son identité qui n'est pas bien définie. Mais nous, en tant que ministres de Dieu, nous comprenons. Lorsque nous avons le courage, cela donc se répand vers les membres. Le courage est contagieux, la crainte est contagieuse la peur est contagieuse, mais à partir d'aujourd'hui, nos vies seront courageuses, nos positions seront courageuses, et les choses que nous faisons montreront que nous avons rencontré le Seigneur. Et le, vainqueur courageux vit au-dedans de nous. Voyons, quand ils étaient en guerre contre les Philistins, au temps de Saül, Saül était le roi. Il était craintif. Et cela s'est répandu sur toute l'assemblée du peuple d'Israël. Saül, ses genoux se cognaient entre eux. Et tout le peuple, même les grands frères de David, qui étaient dans l'armée, étaient tous craintifs. Ils étaient allés se cacher quelque part. Et chaque fois que Goliath sortait, et dit, choisis-moi un homme qui pourra se battre et m'affronter. Et tous allaient se cacher. Parce que le roi craintif, le leader effrayé et les dispositions effrayées de Saül s'est répandu sur l'armée. Mais David est venu. Il dit, je vais me chasser de l'homme. dit, tu ne peux pas. dit, je pourrai parce que Dieu est avec moi. Voyez cet homme, il a défié l'armée du peuple du Dieu d'Israël. Alors on l'a amené chez Saül. Il a dit, laisse-moi aller, je vais me charger de cet homme. Non, tu ne peux pas, il est guerrier depuis sa jeunesse. Regarde-moi, Saül, roi de la nation, je ne peux pas l'affronter. Toi, tu ne peux pas, tu n'es qu'un petit enfant. Il dit, je peux. Dis je peux. Je le ferai, répète-le. Je dois, répète, je dois. Je peux. Si je peux, alors je le ferai. Je viens de le dire, je puis tout par Christ qui me fortifie dans la prière. Je puis tout par Christ qui me, fortifie dans l'église. Quand il n'y a pas de combat, quand nous chantons et la musique, tout va bien. Je puis tout par Christ qui me fortifie si tu peux, sonne hein, et fais-le. Si tu dis je peux, tu dois joindre ça avec je le ferai, je le ferai. Et David a dit, je le ferai, je ferai face à l'homme. Saül a dit, maintenant, si tu veux le faire. Il a commencé à donner des témoignages. L'ours est venu et avec les mains, j'ai déchiré l'ours. Et le lion est venu et avec les mains simplement, j'ai déchiré le lion pour défendre l'une des brebis. Alors Saül a dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Le Seigneur sera avec toi. Mais il dit, mais avant que tu n'ailles, prends mon armure, roi David et roi Saül, l'armure que toi tu n'as pas pu porter et qui ne t'a même pas donné la force et toi, tu me donnes cette armure-là. Il a porté ça et dit, monsieur, <laughs> je ne peux pas marcher avec ça. Hein. Je ne suis pas habitué à ça. Moi, je suis habitué avec la, la Saint-Pierre 1, 2, 3, 4, 5. La foi, la foi en anglais, c'est 5. La grâce, G-R-A-C-E, 5. Je connais la grâce. Je connais la foi. Je vais me charger de cet homme avec cette ma foi et la grâce de Dieu, je vais achever cet homme. Tu vas achever l'ennemi. Alors il est venu. Et quand le Philistin Goliath l'a vu, il a dit, regarde ce garçon-là. Il veut gaspiller sa vie. Si ta nation veut gaspiller ta vie en t'envoyant m'affronter, je vais aider ta nation, je vais t'achever ta vie ne donnera rien. Et je vais te détruire. David, l'ennemi s'enorgueille. Ça ne va pas effrayer ceux qui sont courageux. David a dit, tu viens contre moi avec l'épée et avec... Euh, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Et avant d'aller qui ne comprennent, il a pris, il a mis une pierre des cinq et lui a lancé ça. Et cela s'est enfoncé dans son front. Il a fait tomber Goliath. Nous sommes cette génération. Nous sommes les champions. Et nous sommes les guerriers qui feront tomber les Goliaths spirituels de nos jours. Nous les ferons tomber au nom de Jésus. Maintenant, voyons 1 Samuel chapitre 17, euh, verset 50. Avec, ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Verset 51 il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua. Il saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua. Le tua et le coupa la tête. Les Philistins, voyant que le héros était mort, prirent la fuite. Ils vont prendre la fuite. Verset 52. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins Jusque dans la... Ils étaient timides avant. Le courage de David leur a donné le courage. Ils tremblaient. Ils ne savaient même pas quoi faire avant. Mais le courage de David s'est répandu vers tout le monde. Et ils ont poursuivi maintenant jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Le point suivant. Deuxième point donc, l'engagement implicite à son message durable. L'engagement implicite à son message durable. Il y a trois éléments à considérer. Premièrement, l'observation inflexible du modèle impérissable. Deuxième élément, l'obéissance implicite au message infaillible. Et troisième élément, les objectifs indiqués pour la méditation instructive. Premier élément. Premier élément, l'observation inflexible du modèle impérissable. Josué chapitre 1, verset 7. Verset 7. Sois fortifie-toi. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite inflexible, ne tournez à gauche, ne tournez à droite, afin de prospérer. Ne, t'en ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ceux qui ont la victoire, ceux qui réussissent et prospèrent sont ceux qui sont inflexibles. Voici le, la voie du Seigneur et sur cette voie. il ne tourne ni à gauche ni à droite. Voici la voie étroite qui conduit à la vie éternelle. Il ne tourne ni à gauche, il ne tourne ni à gauche. Voici la voie du Seigneur. et dit, tenez dans le chemin et demandez où est le bon chemin, l'ancien sentier, et marchez-y. Et vous trouverez du repos, vous trouverez du succès, vous trouverez la prospérité, dans cette voie, le Seigneur nous a donné la voie, la parole, la volonté du Seigneur et ce qu'il veut que nous fassions. Matthieu 28, verset 20. À Matthieu 28, verset 20, et enseignez le à observer tout ce que je vous ai prescrit. On ne tourne ni à gauche ni à droite. Nous ne, nous ne soustrayons pas, nous n'ajoutons pas à la parole nous parlons de tout parce qu'il dit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, à condition que vous ne détournez à gauche, que vous ne détournez pas à droite, vous observez et vous les enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, et sur cette condition, sur cette base, Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le peuple de Dieu crie. Deuxième élément maintenant, l'obéissance implicite au message infaillible. Un message infaillible. Vous ne pouvez pas trouver de faux dans le message. Il n'y a pas d'erreur dans le message. C'est quoi la Bible est la parole infaillible de Dieu elle est vraie de page en page. La partie que tu comprends est vraie. La partie que tu ne comprends pas, elle est vraie. Qu'est-ce que tu comprends de ça Parce que Dieu lui-même, Dieu le très haut, Dieu le plus élevé, quand il dit quelque chose, tu peux ne pas comprendre tout maintenant. C'est comme notre enfant qui est au primaire et le professeur très haut, haut élevé là-bas, que cet enfant du primaire, ce garçon, cette fille, le professeur a écrit quelque chose et l'enfant du primaire, l'écolier du primaire, essaie de lire, de comprendre. Et l'enfant dit, je ne comprends pas. Prof, ce que je lis là, je dois comprendre. Ce n'est pas vrai. Parce que je ne comprends pas, ce n'est pas vrai. L'écolier du primaire ne dit pas ça. Parce que ce que le professeur a écrit, il ne comprend pas. Et donc, ce n'est pas vrai. C'est comme nous nous sommes au primaire, à la maternelle de la connaissance. C'est comme nous, hommes d'hier, hommes, femmes d'hier, écoliers du primaire, dans les choses de l'esprit, nous lisons ce que le Très-Haut a écrit et nous lisons ce que le Dieu du ciel a mis là-bas. Et parce que je ne comprends pas cette prophétie, parce que je ne comprends pas cette prescription, parce que je ne comprends pas ce précepte, je dis, ce n'est pas vrai. Les êtres humains ne peuvent pas dire que ce que Dieu a écrit et donné n'est pas vrai. Nous devons avoir l'obéissance implicite au message infaillible venant du Seigneur. Voyons Josué chapitre 1. Nous lisons le verset 8. Il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche les 66 livres de la Bible, au temps de Josué, 5 étaient écrits. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et tout était le livre de, le, du Seigneur. Après ces 5, nous avons Josué, nous avons Juge, nous avons 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques. Et maintenant, nous avons Exra, Néhémie, nous avons Esther, nous avons Job. Maintenant, nous avons les Psaumes, nous avons les Proverbes, nous avons Ecclésias. Et maintenant, nous avons Cantique des Cantiques. Nous avons, et maintenant, tout est complet maintenant. Esaïe est là, Jérémie est là. Et nous avons Lamentation, nous avons Ézéchiel, nous avons Daniel, nous avons tous les prophètes mineurs, Matthieu, Luc, Jean, Actes des apôtres romains jusqu'à l'Apocalypse. Maintenant, ce n'est plus limité au livre de la loi. C'est maintenant le, le, livre du Seigneur. De Genèse à Apocalypse, tout a, nous a été donné maintenant. Et la manière dont nous comprenons cela, que ce livre du Seigneur ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, ensuite, médite-le jour et nuit jour et nuit, pour agir fidèlement, agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors, que tu réussiras. Amen. Dans le, le livre du Seigneur, vous découvrez la voie du succès, la voie de la prospérité, la voie, le moyen par lequel l'œuvre du Seigneur, le ministère va prospérer entre tes mains au nom de Jésus. Premier élément, observe. Deuxièmement, obéis. Observe pour agir. Ne dis jamais, je ne peux pas faire ça. Ça, c'est impossible. Tu es en train de traiter Dieu de, raisonnable que Dieu te demande d'observer, d'agir fidèlement. Maintenant, toi, tu dis à Dieu et tu lui dis, Dieu, pourquoi tu me dis de faire ça Ça, c'est impossible. Non? non, aucun homme ne peut le faire. Tu es en train de taxer Dieu d'ignorant. Il te dit de faire quelque chose. Et toi, tu dis que ça ne peut pas être fait. Repends-toi, Seigneur. Je ne peux pas te faire. Fais la restitution. Corrige ta vie. Les choses que tu as volées des autres, tu dois prendre et retourner ça au propriétaire. Tu as... Seigneur, c'est impossible. Sois juste. La, justice des scribes pharisiens superficielle, ça ne peut pas, ne peut pas nous amener. Tu dis, Seigneur, pour avoir la justice intérieure transparente, la justice partout et à tout moment, tu dis c'est impossible. Tu es en train de taxer Dieu d'un maître esclavagiste qui sait que c'est impossible. Impossible de se repentir, impossible de faire la restitution, impossible d'être juste, alors, pourquoi tu tasses Dieu de cela Que ce livre du, Seigneur ne s'éloigne point de ta bouche. Aidez sa parole. Tel que l'homme quittera son père et sa mère et s'attache à sa femme. Une femme, seule femme. Et les deux deviendront une seule chair. S'attacheront pour former une spook jusqu'à ce que la mort les sépare. Toi, tu dis que c'est impossible tu es en train de taxer Dieu d'irraisonnable. Maintenant, toi, tu te fais roi assis sur le trône. Et tu dis, Dieu, quitte le chemin, ne me dis pas un homme, une femme. Moi, je vais te, te dicter ce que nous devons croire. Non. Que ce livre du Seigneur examine. Examine ton style de vie. Examine ton comportement. Examine ton caractère examine ta vie. Si elle n'est pas conforme à la parole, tu dois revenir à la parole. Parce que ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Maintenant, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Si ce n'est pas dans ton cœur, ce ne sera pas dans ta bouche. Si ce n'est pas dans ton esprit, ce ne sera pas dans ta bouche. Si, ce n'est, si ça ne doit pas quitter ta bouche, ça ne doit pas quitter ton cœur, ça ne doit pas quitter ton esprit, si ce n'est pas dans ta vie, dans la pratique, ça ne sera pas sur le pupitre, dans la prédication. C'est lorsque tu fais, c'est ce que tu observes, c'est la justice en toi, c'est la sainteté qui est dans ton cœur, qui est dans ta vie, qui, c'est s'exprime au pupitre, que ce livre de la loi de lois au point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tu ne médites pas les dogmes d'une dénomination. Tu ne médites pas les idées d'une communauté. Tu ne médites pas les mauvaises nouvelles que tu lis dans les journaux mais tu médites la parole de Dieu jour et nuit. Et il dit, pour agir fidèlement. Tu n'es pas une personne qui connaît la Bible. Tu embrasses la Bible. Tu crois la Bible. Tu vis par la Bible pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Amen pour soi. L'œuvre de Dieu va prospérer entre tes mains. Le ministère va prospérer entre tes mains. Quand tu fais du livre de la loi prioritaire dans ta vie, prioritaire dans tes décisions, quand tu le rends prioritaire dans la démonstration des possibilités en faisant la volonté et l'œuvre de Dieu. Quand tu fais de la parole de Dieu, quand tu fais de la Sainte Bible, le centre même de ta vie, dans la vie personnelle, dans la vie familiale, dans la vie ministérielle, lorsque le livre de la loi est prioritaire, tu dois prospérer. Tout ce qui empêche la prospérité dans le ministère, le Seigneur va l'ôter de ton chemin au nom de Jésus et tu auras le bon succès. J'aurai un bon succès. C'est quoi le bon succès la parole que tu prêches entre dans la vie des adolescents, garçons et filles, et leurs vies sont transformées du mal à la bonté de Dieu lorsque tu prêches la parole et ces pécheurs viennent et maintenant, ce que tu as prêché les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quand tu prêches la parole et que cette parole que tu as prêchée sort le fils prodigue, la fille prodigue, la femme prodigue, le mari prodigue qui avait fui la famille et maintenant cela les ramène au bon chemin et au bon héritage du Seigneur. Ça, c'est le bon succès. Quand ta parole prépare les gens et prépare tes membres et ils passent de la terre à l'au-delà. Et quand tu vas la visiter, oh, pasteur, merci, quand j'étais sur la terre, parce que je passe de l'autre côté. Ta parole m'a préparé, j'ai le salut et j'ai la joie du salut est dans mon cœur. Et je suis maintenant prêt à passer dans l'au-delà pour voir mon sauveur. Quand que tu m'as présenté, je verrai mon sanctificateur que tu m'as présenté et il a purifié ma vie. Et avec la joie, il passe dans l'au-delà. Ça, c'est le bon succès. Quand nos vies préparent des gens, les préparent pour le ciel. Et ils sont heureux comme ils vont là-bas. Parce que la parole du Seigneur a été dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton esprit, dans ton cœur, dans ta vie personnelle, dans, de façon pratique. Et est sortie de ta bouche au pupitre dans la prédication, dans le gain des âmes et maintenant, ceux à qui tu prêches, leur vie ont été transformées pour le meilleur. Bon succès. Troisième élément maintenant. les objectifs indiqués pour la méditation instructive. Les objectifs indiqués pour la méditation instructive. Il dit en Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi, que ce livre du Seigneur ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Médite-le. La vie humaine elle parle toujours. C'est ce qu'on appelle le soliloque. Quand tu es tout seul, ton esprit ne peut pas se Ça, il te parle. Ton esprit peut te parler de tout. Des choses qui se sont passées 30, 40 ans, ton esprit les ramène à la surface. Et ton esprit a une manière de contrôler ce que tu médites. Et parfois, un événement a eu lieu qui a causé des blessures, qui a causé le découragement, et quelque chose s'est produit qui t'a rendu craintif. Et ton esprit ramène cela quand tu es seul. Et même quand tu écoutes les autres parler, quelque chose surgit de l'intérieur et te donne la substance sur laquelle il faut méditer et te donne le sujet de méditation. Et comme ton esprit tire ça des archives, des archives de ta vie, il sort ceci, il ceci, il sort ceci des archives, et ça t'amène à commencer à penser à ceci, à penser à ceci. Et si nous ne faisons pas attention, nos vies iront dans la direction des choses que notre esprit ressurgit. Et nous méditons ces choses. Mais tu dois prendre le contrôle. C'est comme un enseignant qui vient en classe et qui est debout là-bas, devant le tableau, il ne dit rien. Les élèves commencent à parler. Si, tu, si toi, l'enseignant, tu ne commences pas à parler et pour se concentrer sur le programme. Alors, tous ces élèves ont commencé à parler, à bavarder, avant de comprendre. Ils ont pris le contrôle de la classe. Si tu ne commences pas à ramener la parole de Dieu dans ton cœur, ce qu'il faut méditer, la parole qu'il faut méditer et les choses pratiques qu'il faut méditer, ton esprit va te, te suggérer des choses et tu vas méditer sur ça aujourd'hui. Et quand tu te réveilles le lendemain, si tu n'as pas de méditation toi-même, toutes ces choses vont revenir et elles vont, les archives ressurgiront de ton esprit des idées. C'est pourquoi beaucoup, plusieurs vies sont comme ça, insipides. Il n'y a pas de progrès. Parce que ta vie dépend de ce que tu médites. Mais le Seigneur dit, croise le jour et la victoire, et sois celui qui commence la méditation et dit, voici la promesse de Dieu, creuse ça, médite ça, voici le précepte du Seigneur, creuse ça et médite dessus. Ça, c'est la prophétie de la parole. Le ciel et la terre passeront, mais cette parole de prophétie, de promesse, de précepte ne passera jamais. Ressurgis cela, creuse ça et médites-en. C'est pourquoi il dit que ce livre, que ce livre de la loi, regarde les promesses là, et regarde tous, tous les commandements qui s'y trouvent. Regardez la force obligeante que nous avons là-bas et médites-en jour et nuit. C'est ce qui nous amène à réussir et tu vas réussir. Je vais réussir. Psaume 1. Psaume 1. Verset 1. Heureux l'homme. Bien sûr, heureuse la femme. Heureux la, heureuse la personne qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Est-ce que vous remarquez ici ce qui nous arrive dans la vie, vous marchez et vous voyez une personne qui est impie et vous marchez avec eux. La bénédiction ne vient pas comme ça. Il y a plusieurs impies autour de nous. Mais il dit, c'est lorsque, avant de marcher avec quelqu'un, identifie. Est-ce qu'il est pieux ou impie Est-ce qu'il est juste est-ce qu'il est injuste Est-ce qu'il est vraiment digne du royaume ou indigne du royaume Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas quand nous marchons et marchons avec les méchants. L'étape suivante, c'est s'arrêter avec des pécheurs. Nous marchons avec eux. Maintenant, nous nous arrêtons avec eux. Nous restons même pour eux. Nous ne tenons même pas contre eux. Parce que nous marchons avec eux. Et dit, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Avant de savoir ce qui se passe, on marche, on s'arrête, on s'assoit avec euh, les moqueurs. Mais l'homme qui sait que sa vie est précieuse, et l'impie, le méchant, ne va pas dicter la direction de ma vie. Le pécheur ne va pas déterminer ce pourquoi je tiens et ce avec ce sur quoi je tiens. Et dit le moqueur, ne va pas déterminer le siège sur lequel je m'assieds. Verset 2. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et qui la médite jour et nuit. On ne peut pas le faire quand vous marchez avec les méchants. On ne peut pas le faire quand vous vous tenez avec les pécheurs. On ne peut pas le faire quand vous vous asseyez avec les moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il y a des gens, ils ne font rien. Oh, de dimanche, j'étais au cul du matin, et nous avons le cul du soir et à cause du matin et du soir, le, le lundi, je dois me reposer et je n'ai rien fait. Si tu ne fais rien, tu ne vas pas prospérer, mon ami. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tu ne fais rien, rien ne va prospérer pour toi. Et le mardi, ah, je dois me relaxer. Hein, parce que j'ai tellement travaillé. J'ai travaillé tellement. J'ai je me suis tellement exercé. Et j'ai fait je suis allé très loin. Cette chose que j'ai faite le dimanche, mardi, j'ai besoin de, visualiser des choses. Je, dois me relaxer pour que mes nerfs soient détendus, pour que les choses reviennent à leur place. Le mercredi, ah, il ne fait encore rien. Parce que maintenant, j'attends que le dimanche vienne encore. Et toute la semaine, ils ne font rien et tout ce qu'il fait. Tu ne fais rien, rien ne va réussir pour toi. Mais quand tu te lèves et quand tu dis, voici le jour que le Seigneur a fait, nous allons nous réjouir en ce jour. Et nous travaillons pour le Seigneur. Tu es toujours en mouvement. tu sais que le dimanche, qu'est-ce que tu vas faire Et à la fin du dimanche, qu'est-ce que je ferai le lundi, mardi Où est-ce que j'irai il y a l'évangélisation là-bas, il y a le conseil là-bas, il y a la visite là-bas, et il y a quelque chose à écrire. Il faut répondre aux mails qui sont venus. Tu es occupé à tout moment. Aider tout ce qu'il fait. Lui, ce qu'il fait, selon la parole de Dieu, ce qu'il fait dans la force du Seigneur, ce qu'il fait par l'Esprit du Seigneur. Il n'est pas un serviteur oisif, un travailleur oisif. Il fait quelque chose pour la propagation de l'évangile du royaume de Dieu. Tout ce qu'il fait, lui, réussit au nom de Jésus. Venons au troisième point maintenant. Troisième point, la conquête. La conquête invincible grâce à la loyauté à la loyauté de, courage. Tu es irrésistible. Tu tiens la colonne vertébrale bien droite. Tu ne courbes pas, tu n'es pas un poltron, tu n'es pas un peureux. Tu as de la virilité. Virilité, grâce à la loyauté virile, masculinité. Tu es comme de la masculinité c'est pas que tu as la force contre la parole du roi, du maître, contre la volonté, la voix du maître. Non, tu es courageux, viril, courageux, avec loyauté. Cela te rendra invincible. Invincible veut dire imbattable. Cela veut dire qu'on ne peut courber. Ça veut dire non compromettant ça veut dire que tu es capable de tenir et tu, littéralement, littéralement, tu tiens par la grande puissance de Dieu et tu arrives à vaincre le champion des Philistins. Tu es invincible. La conquête invincible grâce à la loyauté Josué 1.9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Tout ce, partout tu iras, partout tu iras. Il ne doit pas retourner en Égypte. Ça, c'est réglé. Partout tu iras. Ce n'est pas te détourner de la voie du Seigneur. Partout tu iras, dans les périmètres de la possession que je t'ai déclaré. Quand il dit, partout tu iras, le Seigneur lui a déjà dit, de telles rivières de, d'Euphrate jusqu'à la fin du pays, que tu dois conquérir dans ce territoire, dans ces périmètres dans ce cercle circonférence partout où tu iras. Dans le chemin, sur le champ que j'ai fixé devant toi. Et tu vas prospérer là-bas. Et tu vas prospérer au nom de Jésus. On ne peut pas prospérer dans les soirées de nuit. On ne peut pas prospérer dans le couvent de l'herboriste là-bas. Il nous a pas envoyé là-bas pour faire quelque chose avec eux. Nous ne pouvons pas prospérer sur le terrain de la fausse doctrine. Il ne nous a pas envoyé là-bas. Là où il nous a envoyé, c'est là où nous irons. C'est là où il nous envoie que nous irons. C'est là où notre succès se trouve. Ton succès viendra. Tu dois réussir. Tu dois prospérer en marchant et en allant dans la voie et là où Dieu t'a envoyé et tu vas prospérer au nom de Jésus. Trois éléments. Premièrement, le commandement d'avoir foi sur le terrain. Deuxièmement, notre confiance en sa fidélité sur le terrain. Troisième élément, la conquête et le progrès sur le terrain. Premier élément, le commandement d'avoir foi sur le chemin, sur le terrain, tu dis pasteur. Est-ce que c'est un anglais correct hein? Le commandement à la foi. Est-ce qu'on ne va pas dire le commandement à la, aux fidèles Non. Quand Dieu parle, il ne, nous, ne parle pas à notre doute. Il ne nous commande pas sur la base de nos doutes. Quand Dieu parle, il ne, il ne nous parle pas. Il ne parle pas à nos craintes il ne dit pas crainte. Je te dis que cet homme, que cette femme réussisse. Non, il ne parle pas la crainte. Quand Dieu parle, il ne parle pas à notre pensée négative. Nos pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Et les cieux, comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes pensées, mes voix sont élevés plus que vos voix. Ils ne parlent pas à nos pensées humaines. Ils parlent à notre foi. Ils commandent à notre foi. Et quand Dieu te donne un commandement, tu dois avoir foi pour recevoir ce commandement. Parce que c'est à ta foi qu'il parle. Premièrement donc, le commandement à la foi. Commandement à la foi. La foi que tu as, tu as quand tu vas sur le terrain. Il ne parle pas à tes doutes, il ne parle pas à tes craintes, il ne parle pas aux pensées humaines, il parle à ta foi. Alors il dit, dans le chapitre 1.9, ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Amen. Le Seigneur est avec toi. Quand tu comprends que tu es un favori du Seigneur, je suis un favori du Seigneur. Est-ce qu'il ne t'entend pas? Je veux que tu penses à Josué. Et pense au souverain sacrificateur. Pense au sacrificateur en Israël. Pense à tous ceux qui sont en Israël. Compare Josué à 1, 2, 3, 10, 100, 000, 1 million. Aux yeux de Dieu, il était le favori. Parce que tout ce que Dieu veut accomplir pour Abraham, son armée dépendait de l'attitude et des activités de Josué. Ainsi, le ciel vérifiait toujours, le ciel lui parlait toujours. Et Dieu l'alertait toujours et attirait son attention. Et Dieu interagissait toujours avec lui, toujours donc passant la grâce et la force dont il avait besoin et transmettant toujours toutes choses à lui. Le favori de Dieu, quand tu viens sur le terrain et tu es capable, tu es prêt à faire, tu es ferme, disposé à faire ce que le Seigneur t'a commandé de faire, tu seras le favori de Dieu le favori du ciel. Alors, il pourra te parler et dire, je suis avec toi. Et toute la foi dont tu as besoin, toute la grâce dont tu as besoin, je te la donnerai. Et je suis avec toi partout tu iras. Jérémie 1, verset 7. Jérémie, chapitre 1, verset 7. Il dit, et l'Éternel me dit, ne dis pas. Est-ce que Dieu t'a parlé personnellement? Est-ce que tu as écouté la parole de Dieu, les promesses de Dieu? Est-ce que tu as vu la puissance du Seigneur et il te distingue et il te parle? Jérémie dit, Jérémie dit, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Dieu ne peut parler à la fois de Jérémie. Il ne parlera pas à ses craintes. Oh, je suis un enfant. Je suis ignorant en tant qu'enfant. Je suis faible en tant qu'enfant. Je suis craintif comme un enfant. Je suis fragile. Fragile terrifié par les choses qui se passent autour de moi. Il ne peut pas parler à ton enfance. Il ne peut pas parler, il ne peut que parler à ta foi. Et il dit à sa foi, et tu dois accepter, embrasser tout ce qu'il te dit à ta foi. Tout, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Josué l'a fait. Jérémie l'a fait. Je le ferai. Il parle à ta foi. Et par la foi, tout est possible. Deuxième élément maintenant, notre confiance en sa fidélité sur le terrain. Sa fidélité. Ce qu'il a dit faire, ce qu'il a planifié faire, comprenez, comprenez. Aller à Canaan, vaincre les jésubiciens, les Cananéens, les Éviens et tous, toutes ces sept nations plus fortes et puissantes qu'Israël, ce n'était pas, ça n'a pas commencé avec Josué. Dieu avait dit à Abraham, Cette paix, ce, ce pays, regarde les étoiles, c'est comme ça tes enfants seront ta postérité. Regardez le pays aussi, aussi loin que tes yeux pourront voir, cela, je te donne cela en possession à toi et à ta descendant. Et il a appelé Isaac. Isaac, ça, ça n'a pas commencé avec toi. J'ai mon ami Abraham et mon ami est avec moi au ciel. Et c'est avec moi, tu peux voir ça. Il peut voir que j'accomplis ça ou pas. Tout ce que je promets, je donnerai. Il a dit à Jacob et à eux tous. Il a dit à Moïse et tous ses patriarches et ses prophètes, ils étaient maintenant avec Dieu au ciel. Sa fidélité envers eux, sa fidélité envers la nation d'Israël, c'est ce qui a donné à Josué la confiance. Dieu ne va pas décevoir ces gens-là. Il ne va pas me décevoir. La même chose avec nous. Il a tout donné à son fils, Jésus-Christ. Demande-moi et je te donnerai les extrémités de la terre pour héritage. Et tu les dirigeras avec un veille de fer. Ça ne commence pas ça a commencé avec lui. Et parce qu'il ne peut pas être infidèle à son fils unique, voilà pourquoi tout ce qu'il a promis, nous pouvons avoir confiance en sa fidélité quand nous sommes sur le terrain et le Seigneur accomplira sa, bonne parole dans chaque vie au nom de Jésus. Ne t'ai-je pas donné cet ordre Ne prends l'alliance que j'ai donnée à Abraham, Isaac et Jacob et de faire avancer cela et d'aller posséder le pays. Comme je leur ai dit, comme je leur ai dit, sa fidélité. Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage quand tu sais que ce que Abraham a reçu comme promesse, ce que Isaac a reçu comme promesse, ce que Jacob a reçu comme promesse, ce que Dieu, Dieu t'a distingué, et c'est toi qui dois amener cela à l'accomplissement. Tu seras fort, tu seras courageux quand tu sais que ce que le Père céleste a promis et donné à Jésus, notre capitaine, le vainqueur, le capitaine de notre salut, celui qui a vaincu toute puissance. Il t'a choisi maintenant, il t'a suscité pour aller produire cela. Et il dit, je serai avec toi. Ça te donnera la confiance en sa fidélité. Comme tu es sur le terrain, il nous dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Allez-y, allez-y. Je ne t'entends pas. Allez, vous allez, allez, et vous irez. Et partout vous allez, vous allez prospérer, vous allez réussir au nom de Jésus. Euh, troisième élément maintenant, la conquête et le progrès sur le terrain. Gloire à Dieu. Troisième élément, la conquête, le progrès sur le terrain, la conquête. Il nous envoie alors nous sommes victorieux et vous allez vaincre. Nous revenons à Josué, chapitre 1, verset 9. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre Vous savez, dans la vie, les commandements viennent de différentes directions. Les commandements, parfois, ton esprit te commande. S'il te plaît, assieds-toi. Tu cours trop vite. Tu es faible. Je n'irai pas avec toi. La plupart des gens écoutent leur esprit, un esprit faible. Ils écoutent leur esprit, l'esprit ignorant. Ils écoutent leur esprit, l'esprit qui n'est pas disposé. Et l'esprit dit, s'il te plaît, tu, roules trop vite, tu cours trop vite. Nous n'irons pas avec toi. Moi, je vais contrôler le reste de ton corps, tes membres. Nous n'irons pas avec toi. Mais tu dois comprendre que le Dieu du ciel, est plus grand, plus élevé que ton esprit. Peu importe ce que ton esprit dit, le Dieu Tout-Puissant dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre Parfois, c'est ceux autour de toi, parce que tu sais, personne ne travaille seul. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Et les gens autour de toi qui sont censés courir avec toi disent, ah, tu es en train de trop vite, trop rouler vite, c'est trop. D'accord, continue à courir. Nous, on va s'asseoir ici. Est-ce que ça soit là Ils te commandent et ils te disent ralentir. Ça, c'est trop. Si tu ne connais pas le plus haut, la personnalité la plus élevée, le grand Dieu du ciel qui t'a commandé, tu vas dire Oh, sans eux, je ne peux rien faire. Même si Christ est là, même si Dieu est là, même si le Créateur des cieux et de la terre est là, sans lui, sans eux, sans elle, je ne peux rien faire. Voilà le commandement qui me donne de m'asseoir. Je vais m'asseoir. Et te voilà. C'est ce que tout le monde fait. Mais quand tu comprends que Dieu dit, je ne tai pas donné cet ordre Et il dit, va, et partout tu iras, comme je t'envoie, tu vas réussir. Parfois, c'est la société qui nous donne d'ordre comme les pharisiens, les sadducéens, nous vous avons pas expressément commandé de ne plus prêcher en ce nom. Mais vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Alors, s'ils étaient comme les gens ordinaires, s'ils étaient comme les gens, ils vont ah, nous sommes désolés, messieurs, oublions-nous, ne soyez pas fâchés contre nous, hein. ne soyez pas fâchés contre nous. Bon, comme vous l'avez dit maintenant, nous allons faire. Il y a des gens, c'est l'ordre de la société, ils écoutent. Mais le Dieu Tout-Puissant dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage. Amen. Ne t'effraie point. Tu es sur le champ de bataille. Et l'ennemi, l'ennemi est armé jusqu'aux dents. Si tu as peur, ils verront que tu trembles déjà à moins que tu utilises les armes que tu as. Si tu as peur, tu es foutu. Quand tu viens sur le champ de bataille, sur le, champ d'évangélisation, sur le champ de la croisade, sur le champ du ministère pastoral, quand tu viens sur le champ du ministère apostolique, tu ne peux pas avoir peur parce que le Seigneur est avec toi. Il dit, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Quand tu t'effraies, tu es confus. Ah, est-ce que je suis sauvé Comment dit ceci Dans quelle édition aller Qu'est-ce que quel est le premier Ah, j'ai oublié. C'est quoi le deuxième élément J'ai oublié. Tu es confus parce que tu t'épouvantes. Parce que, mais quand tu sais que le Dieu Tout-Puissant est avec toi, quand tu sais que le Roi des Rois est avec toi, quand tu sais que le Seigneur des Seigneurs est avec toi, tu n'auras pas peur. Dis, je n'aurai pas peur. Je ne serai pas épouvanté je ne serai pas confus. Ton esprit est fixé sur ce que le Seigneur t'a appelé à faire et tu le feras au nom de Jésus. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, est au présent, toujours. Il est avec toi au présent. Il est devant toi, il est derrière toi, il est au-dessus de toi, il est sous toi. Sont les bras éternels et il t'environne comme les montagnes environnent Jérusalem. Ainsi l'Éternel va environner ceux qui l'aiment et ceux qui font son devoir. Je veux te rassurer, comme nous concluons ce dernier message aujourd'hui, comme tu retournes sur le champ de, de, mission, tu retournes dans le ministère, comme tu retournes partout où vous voulez aller, le Seigneur sera avec vous. Le Seigneur sera avec vous. Et tout ce qu'il t'a appelé à faire, peu importe la difficulté, il le fera avec toi et ils s'en allaient prêcher la parole. Le Seigneur travaillait avec eux et, avec les miracles qui accompagneront sa parole. Le Seigneur va travailler avec toi. Et les miracles, les prodiges vont, la guérison, les conversions, les saluts vont sur ton ministère au nom de Jésus. Levons-nous maintenant et parlons à Dieu réclamons ce que Dieu a promis faire. Levons-nous maintenant, réclamons cela sur le champ nous pourrons avoir le courage sur le terrain, nous pourrons avoir la confiance sur le champ, nous pourrons avoir la conquête. Parce que le Seigneur qui nous a envoyés est avec nous. Il ne va pas te délaisser, il ne va pas t'abandonner. Accepte-le, tiens sur les promesses de Dieu.